J'ai un profond respect pour les Sénégalais et les Sénégalaises qui m'ont lu et entendu. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole. Je rends ici un hommage à mes prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, et Abdoulaye Wade, dont les parcours sont bien sûr différents, mais qui ont contribué chacun à construire l'image de ce Sénégal démocratique qu'il faut perpétuer. Je ne saurais faire moins. Et d'ici la transmission du pouvoir au futur président de la République, Inch'Allah, le 2 avril 2024,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 l'intégrité du territoire, la protection des personnes et des biens. Je resterai à vos côtés, à votre écoute et au service de la République et de la nation. Nous avons des réalisations indéniables et un potentiel incroyable. Mais soyons vigilants et conscients des difficultés, des obstacles qui sont réels et de l'activisme des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. L'enjeu essentiel pour moi, c'est que notre cher Sénégal, ce pays que j'ai à cœur, que vous avez à cœur, garde le cap vers l'émergence dans la voie de l'action, de la paix, de la stabilité, du respect du droit, de l'ordre public, dans l'unité nationale et la cohésion sociale.

Bon, salam alaikum, ñëpp ñu ñuy je pense que ni euh, discours de Macky Sall def démb surprendre na ñu bari ci ci Sénégal et aussi ñi nga xamantene ne ñu ngi nek en dehors du Sénégal Lool mo waral tay ñu ñew diko waxtane waxtaane hein, parce que lépp lu nga xamantene da fay euh, soxal Sénégal fay soxal suñu gal, suñu dëkk Da fay nek lo ne daf ñuy euh, intéressé directement ba lool mo waral tey vraiment bëggoon ñëw ñu waxtaanaat si après live bi nga xam ne def naa ko démb euh, ñëw avec euh, des sénégalais de la diaspora et du Sénégal pour que ñu kenn ku ne wax ñu sa xalaat wax ñu lan nga gisee situation bi nga xam ne mi ngi am ci Sénégal et puis surtout lan moo war a nekk ëllëgu Sénégal ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne ngi si donc tey ma ànd si ak euh, Seydina al Sané je pense que j'ai plus le présenter <laughs> Elage Mendes Amadou Sabali qui est avocat Aminata Wan donc vraiment un plaisir de vous retrouver je pense que ni euh, même aussi bon je vous laisse la parole très rapidement vous rappeler ni aussi voilà s'il y en a qui veulent vraiment nous rejoindre il n'y a pas de souci n'hésitez pas à nous faire signe n'hésitez pas à partager et à liker le live autour de vous euh, l'idée c'est juste de parler du Sénégal et donc on a une ferme volonté de démocratisation un peu partout au Sénégal bon peut-être ma commencer C'est Seydina Seydina naka ça fait un moment, Gagnon Legis. <laughs> oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Bokar, bonjour Elage et euh, Amadou Sabali Amina. Salam alaikum. Wa alaikum salam Sabali. merci Bokar c'est invitation Je suis venu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne nous ñuy Sénégal nous sommes au diaspora Je maa ngi lay jaajëfal initiative puisque tu nous permets de temps en temps quand il y a des sujets importants sur le Sénégal donc à <clears throat> venir nous exprimer loolu mooy ñu ngi la si ñu ngi la si jaajëfal invité ñëpp aussi di partager live bi abonné si sa chaîne bi <laughs> léegi xaw ma fan laay tàmbalee ndax question bi la question c'est est-ce que je rejoins la la la enfin l'opinion de Seydina et même de El aussi sur le non mais là, loolu la yow la nga si xalaat bala bala may bala ñuy ñëw si discours Macky Sall bi rapidement Waouh, wow, bon, yow xam nga si sama xalaat et je pense que je partage entièrement, mais à 1000%, ce que vient de dire Seydina, et là je suis sur euh, le caractère démocratique ou non de notre pays, euh, c'est que c'est ça, c'est que hypocrisie bi dafa yàgg parce que élite intellectuelle yi du ñu nangu wax euh, li nga am si est-ce que on est une démocratie ou pas. parce que démocratie euh, dafa yomb mooy volonté est-ce que volonté populaire bi ñu koy dawal c'est aussi simple que ça est-ce que le peuple à la liberté de choix de ses représentants L'ol déjà moi démocratie avant y ni aussi état de droit Sénégal c'est état policier mon fa Madame, état policier euh, voilà c'est c'est c'est pas le droit qui on a tous vu inutile de de, citer des exemples euh, on a tous vu tous vu ce qui s'y passe depuis euh, depuis que Sénégal mon pont. après peut-être que le bémol consistera à dire que le Sénégal tel qu'il existe aujourd'hui dans sa forme actuelle est un État récent, une création coloniale qui date de 1960, donc euh, qui doit peut-être mûrir, euh, suivre, son, euh, suivre son, cours historique. Mais à ce moment-là, euh, l'Inui Djahalmoy, que Sénégal, Texi, Bindo, parce qu'on a quand même quasiment le même régime que la France et beaucoup de pays occidentaux, il y a now en tout cas si c'est un état de droit ak une démocratie mais dont ne ne c'est pas parfait hein, la perfection mhm. n'existe n'existe dans aucun pays mais euh, l'union ñu jaaxal que normalement de qui dañu war une propre évolution historique ça c'est vrai mais ñun lu ñu jaaxal texte maanaam lu ñuy wootee ndax noonu la ñu war a Nous avons bopp ak nu nous avons exactement donc décalage bien entre suñuy texte lu ñuy wootee suñuy ak suñu autorité politique yi doxal dëkk bi écart boobu abyssal en fait mon abyssal mon abyssal de sorte que on, on, on vit des dictatures ce que j'appelle pour moi le Sénégal c'est une dictature légalisée c'est une dictature légalisée dans, dans, le sens où les décisions des autorités elles voilà elles se parent de vêtements juridiques elles sont juridicisées on poursuit un opposant, on construit un dossier, on le condamne. On poursuit un journaliste, on construit un dossier, on le condamne. On poursuit un activiste, pareil, Céline a donné des exemples. Donc clairement, oui, on n'est pas, on, ne, réunit pas les critères minimaux hein, qui font qu'on ait une vraie démocratie à On a vu les listes dernièrement des législatives ou même avant des listes qui sont invalidées, des listes qui. C'est-à-dire que population Bessis Bopom, nous exprimer ou nous choisir librement ses représentants conformément à nos propres lois d'accord donc mhm. lolo dafa jour élection de exemple de koy à chaque fois il euh, y avait une élection en France je pense c'était euh, celle de 2017 j'avais un un pote qui est chercheur au Sénégal qui était là élection fait le jour dimanche mon ami mais yéen il y a du élection si élection la kañ ma mais dafa calme ma mais oui parce que fini nit da les gens les gens ont confiance au système incident les gens ne sortent pas les chars de combat quoi. Mhm. voilà Sénégal ban élection on est tous de la même génération ban élection mo am élection est-ce que vous pouvez me citer une élection au Sénégal qui a eu lieu nit dal mais non amul le pouvoir sort les gros moyens l'armée est déployée partout euh, ça ne va pas. Lolo, ça veut dire que ça ne va pas. Le jour où, déjà, on pourra choisir librement nos représentants, moi, le jour où le jour où l'élection, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de, candidats éliminés. voilà, le jour où il n'y aura pas tout ça, déjà, on pourra choisir librement nos candidats, nos représentants. Et ensuite, on parlera d'état de droit. Mais je rejoins tout. Dans le vif du sujet, mmh. ah, voilà,

Donc, c'est c'est ça en fait c'est ça qui est fou c'est-à-dire que euh, voilà man je je vois des je vois dans des dossiers ah, des femmes ay nit yi nga xamante sax suñu di def fa ay ah. ils sont mieux respectés suñu nekkee Sénégal fekk defuñu dara voilà on en est là en fait on en est là du coup la, les gens ont perdu la confiance aux autorités la confiance aux institutions donc la, la confiance elle est rompue loolu surtout avec les jeunesses avec en tout cas une suñu génération bi génération ñoo la confiance elle est rompue elle est rompue entre euh, ñun suñu génération avec les plus jeunes et euh, les adultes puisque les adultes sont encore dans une relation euh, de chefferie je dirais hein. on est dans une relation de chefferie avec l'autorité qu'elle soit politique qu'elle soit peu importe et puis aussi une rupture de confiance entre peuple en général, en tout cas jeune, puisque c'est quasiment 70% de la population, voire 60% selon, selon l'âge retenu, euh, avec les institutions. Et ça, c'est très grave parce que deux clubs, jeunes, jeunesse bi ak jigen ni et ils se retrouvent pas dans les institutions les institutions sont gérées par des soixantenaires des kaw ñom ñoo que ces institutions di dicter ces loi depuis 1960 question depuis est-ce que tu t'attendais à ce que Macky le... Macky Sall voilà daal di euh, ba nga nekk candidat. waaw waaw waaw dinaa après y' a dafa am son buy client hein, buy grincé xaw ma kan la nak alors ndax peut tout le monde entend la même chose. je pense que c'est bon. waaw dem na wa wa merci beaucoup donc gars yi jot nañu wax lu bari lu am solo Euh, d'accord, na si si a pàcc yi et d'accord, ma si yeneen yi euh, d'abord, euh, non, maintenant, je m'attendais, effectivement, j'ai été également surpris, hein, euh, très honnêtement. Je ne m'attendais pas à ce que Macky Sall renonce à, sa, à sa troisième candidature. Légui, man sama analyse bon man ma discours parce que personnellement je ne peux pas écouter Macky Sall hein, c'est quelqu'un que du question hein, parce que ma dit, c'est un homme politique qui a des discours discours a sa émotion Il ils des lisent des écrits il, ne, voilà, il ne transmettent rien, aucune émotion en fait. Voilà, Lola Diap. Après, je ne sais pas si c'est mon côté euh, plaideur qui fait ça, mais pour moi, un discours qui n'a pas d'émotion, euh, qui ne transmet rien, Lola des fois, mel leçon na leçon. Peut-être aussi le fait que c'est en français et que peut-être qu'il qu'il s'exprimerait mieux en c'est une je ne sais pas je ne sais pas manger j'ai ce problème là même les discours de fin d'année sont dégloués un président yeneen dëkk ak yow sa président c'est tout le temps le même truc euh, enfin c'est les mêmes formules quoi qui reviennent depuis que et ça ça véhicule rien du tout et euh, bref il xam est-ce qu'il a y a pas de connexion entre lu muy wax ak euh, y a pas de conviction dans le discours man j'ai un peu de mal donc, pour être totalement transparent, j'ai pas écouté le discours de Macky Sall, hormis l'extrait que tu nous as mis d'ailleurs demb sa maa ngi doon wax euh, keneen est-ce que kenn mun na ma wax ban niveau si vidéo bi ban minute minutage la ko waxee pour ma dem déglu formule bi euh, est-ce que voilà ma xam ñan la formuler nan <laughs> voilà nan ban formule la utiliser pour que je puisse voir léegi euh, dégg naa benn participant ne félicitations au peuple bon moi, j'ai un bémol par rapport à ça d'accord j'ai un bémol par rapport à ça et je pense d'ailleurs que justement, c'est une analyse que les sociologues doivent faire, c'est que est-ce que notre peuple a gagné des combats depuis que le Sénégal existe C'est une question que je pose. Ah, une question très ouverte. C'est hein. une indépendance. Guerre une indépendance. Il y a eu quelques résistants qui se sont battus, mais qui n'ont pas fait le poids par rapport à la puissance coloniale. Le contexte est là. Euh, la puissance coloniale était déclinante à cause de la guerre d'Algérie, etc. Les puissances émergentes, la Russie, euh, enfin l'URSS et les États-Unis voulaient que, euh, que les empires coloniaux des autres pays européens, euh, en tout cas, prennent fin. Ah, ils les ont poussés à décoloniser. Si contexte pour l'année indépendance. D'accord, Vous wax de wax Guerre may indépendance. en plus, attention, nous tégal sur vote. est-ce que vous voulez rompre le cordon ombilical avec la France ou non, donc le référendum de 58, toutes nos élites religieuses et politiques ont, opté pour le oui. Je ne sais pas si euh, quelques... Euh, en tout cas certains parmi vous sont allés voir la Constitution de 58. Euh, enfin, le rapport qu'elle établissait entre suñu colonie et France. non c'est vrai ça ma laissé Yokalni de me découvrir récemment Ousmane Camara c'était le procureur général près la haute cour de justice une de mhm. mémoire euh, les mémoires d'un juge africain itinéraire d'un homme indépendant. effectivement, ah. c'était quelqu'un qui était ministre sous Senghor, mais effectivement, Senghor avait. c'était du quoi, pour la France. Senghor, c'était vraiment un noir dans un corps blanc, <laughs> dans un corps de blanc. Donc voilà, Ensuite, pour passer, il aussi Senghor. Senghor, des fois, il gouvernait Senghor, en 63, 40 personnes, 40 citoyens sénégalais ont été tués à Dakar, d'accord, lors de manifestations lu manifestation parrainage moko waralon. parrainage pour que parti mun a am am élection législative présidentielle il faut que 10 députés parrainent. là. sauf qu'à l'époque opposition amoul, donc ça veut dire de facto que les autres ne pouvaient pas participer manifestation 40 morts fusillés n'y a bon Senghor gouverné ba 20 ans mu dem yoonam Diouf jël gouverné 20 ans ba doyal dem mbir mbaa ngi wad ñew 2000 wad 2012 forcé candidature nit ñi manifester 14 personnes déci Wad a quand même forcé sa candidature d'accord il a forcé sa peut-être qu'il l'a pas volé mais il l'a forcé donc sa volonté s'est imposée d'être candidat dont elle est peut-être bugulon sach et que voilà les gens ont voté pour pour euh, pour Macky Sall donc si contexte bobu la Macky Sall d'accord Macky Sall ñew na xawna lu xew xamna lu xew euh, Boubar donc man li ma jàpp puisque il faut accélérer li ma jàpp s'il y avait pas la pression internationale Macky Sall serait capable mais xoolal ay centaines de personnes il faut juste voir les derniers discours de Macky Sall s'en fiche de ça et les, les gars de son régime s'en fichent ils ne se sont même pas émus des 30 morts même pas en France, un jeune, un seul a été tué. Les images sont sorties le président est allé même au-delà de ses prérogatives en limite en faisant des injonctions à la justice, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Mais il l'a fait. Je partage sa position, position de président Macron. Donc, mais émotion, moi, ko yobé. ñun ay policiers nous taxaw face bal on a vu les images ça n'a ému personne le président n'a même pas fait une virgule de tweet yoonam nek aussi d'accord ana ban ministre qui s'est ému. Par contre, quand il s'est agi, agi de saisir, quand la CPI a été saisie, saisie, pardon, quand les autorités internationales ont été saisies, quand l'ONU a été saisie, toute l'armada gouvernementale, les ministres régaliens sont sortis, mhm. non pas pour parler des morts, non pas pour présenter des condoléances, mais pour écarter toute responsabilité de l'État. Vis-à-vis de qui Non pas vis-à-vis du peuple, mais vis à -vis de l'international. c'est-à-dire que s'il y avait aucun moyen de pression à l'international hmm. hein. il allait être candidat à pousser B au bout parce qu'il a les armes les forces sont déséquilibrées on est dans un pays le Sénégal on est dans un pays où il n'y a pas de force intermédiaire il n'y a pas de corps intermédiaire on a l'État puissance face aux citoyens démunis boum c'est comme ça que ça ah, marche et tu te dis aussi pourquoi la présidence armes. Tu sais, la présidence de la République, on a reçu des armes quand même. Hein, et tu te dis pourquoi non, mais ça Non, mais c'est ce que j'ai Exactement, c'est qu'on est dans un pays, Sénégal, dès que le Binga Khamantene, dès que Amoul a un corps intermédiaire, il y a un c'est un corps intermédiaire, c'est quoi C'est des syndicats puissants, c'est des médias puissants, c'est des, des, des organisations de jeunesse puissantes qui font que, qui font que quand l'État, vous dans le citoyen, force intermédiaire, imposer. Ah, tu vois l'exemple de la France, donc ça prend rien. Ici, quand la SNCF décide de bloquer le pays, dès que on bloque les trains, rien ne fonctionne. Et de nous, nous tous. D'accord ils arrivent comme ça à grignoter des choses dans des réformes, à, pas tout le temps avoir gain de cause, mais à pouvoir équilibrer les forces. Donc, man, moi, japonais, nañu di wax peuple gagné c'est vrai dans la symbolique et nous, gagné jël les morts les morts là c'est des martyrs ils ont donné leur vie c'est malheureux à dire, hein. c'est à la fois symbolique et malheureux. C'est que, voilà, finalement, c'est ça. Mais, bon, les graissements ont repris. Mais en tout cas, c'est la pression, la pression internationale. Il faut vraiment, il faut vraiment pas qu'on se voile la face. Je pense qu'Aminata était en train de dire. Euh, jusqu'au discours de Macky Sall en France récemment, il disait qu'on va se maintenir au pouvoir. Euh, là, tous ceux qui connaissent les procédures de la CPI savent que les poursuites sont valablement fondées. Parce que les poursuites, en réalité, c'est deux conditions. So, euh, fait, moi, un, l'État a ratifié, on a ratifié. Et puis, deuxièmement, il y a le principe de subsidiarité. Le Sénégal n'a pas exercé de poursuites depuis 2021. D'accord Donc, le système judiciaire est défaillant par rapport aux jeunes qui se font tuer au Sénégal. Donc, les critères étaient, vraiment réunis. il n'appartenait plus qu'au procureur de lancer les poursuites de lancer ces investigations. Et de toute façon, les poursuites peuvent durer des années. Hein. C'est des crimes imprescriptibles, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que peut-être l'on bokk connaît. après demain demain doon dégg ay nit dinan demain waaw tam daf siy def bémol dinan oui euh, Macky Sall en fait euh, il ne veut pas se enfin Macky Sall dafa ragal Sonko poursuivre que moo tax buggul Sonko djel nguur gi moo tax non pour moi c'est une erreur d'interprétation aussi je pense pourquoi Macky Sall bouge une troisième candidature pour bëgg point là-dessus euh, Bokar on est d'accord fois bëgg nguur fois troisième non pas parce qu'il a peur de poursuite mais parce que des fois, nguur et sans que Seydina évoque que le Sénégal va être un pays gazier, pétrolier, etc. C'est des manques qui vont rentrer. Il voulait, il voulait poursuivre. Et Yallah euh, Khamnani, là aussi, peut-être sous gagner en 2024, sous forcer on peut gagner, ben il allait retoucher la constitution pour encore euh, voilà on est reparti de plus belle d'accord donc euh, cette histoire de Sonko va le poursuivre etc je pense que en fait de toute façon il y a des dispositions que tu peux prendre et tu ne seras pas poursuivi d'accord de toute façon aussi on est dans un pays bi il y a d'autres réalités tellement limites, enfin immanentes d'autres réalités qui font que ouais, il doit poursuivre d'accord mmh. Abdoulaye Wade quand il est revenu Abdel, là, la défoule aussi 14 morts 14 mm. morts la corruption mais euh, galopante bi mu Bimou bi mu si France deuxième Sénégal mais ay nit ñoo l'aéroport. teeru aéroport ñu ne ko góor etc. gars yi yuuxu et on oublie très vite hein <laughs> on oublie très vite donc ay affaire de ay mm. non Soubayon, son Sonko de kenn du poursuivre man dama en tout il avait il est en Centrafrique mu ngi est-ce qu'il est est-ce qu'il est inquiété il a encore fait des choses pires lui parce que ce sont même les exécutants de ces crimes qui, euh, dans le cadre de la commission réconciliation, je ne sais pas si vous avez eu le, temps de suivre ça, qui, qui dire, c'est oui, sous l'ordre de jamais, j'ai tué tel journaliste, j'ai tué telle personne, telle personne. Donc, il n'est pas poursuivi. Ça va Donc, ah. je pense que, en fait, sous son Sonko gagnant, Sonko n'aurait pas poursuivi Mati, mais c'est plutôt, il faut dire que c'est plutôt la justice qui l'aurait poursuivi. Parce que ce fait que Sonko m'a poursuivre, donc changement à non mais quand je dis non mais en fait quand je dis Sonko c'est le régime est-ce que nit est-ce que nit su pouvoir régime il a fait réforme ça veut dire que normalement justice mhm. ça doit être complètement déconnecté de du pouvoir de du président de la République enfin quand je dis complètement pas vraiment mais on va dire que ça dañ ko wara va réformer ba nga président bi dootul mën a am influence bi ci ci juge quoi. mais là, je te pose une question tu penses que est-ce que tu penses parce que la question s'était posée en France est-ce qu'on coupe totalement le cordon ombilical entre l'exécutif et le et le et le procureur donc et les voilà et le parquet la réponse de Macron avait été non faut quand même maintenir un petit en fait Léon, nous si on comprend le pouvoir ou un autre il veut poursuivre Macky Sall. Il passe par qui il passe son ministre, par son ministre de la Justice. Ah, il faut, quand même, il faut quand même un ordre de poursuite, qu'il vienne quelque part, en tout cas quelque chose, un acte. Acte Bobo, il faut Moudjogé Donc, oui. Maki, l'a fait avec Karim Wad, on a vu comment ça s'est passé. D'ailleurs, le procureur qui était trop très zélé, il a voulu poursuivre 25 personnes. Il a dit ni d'accord, peut qu'il ils gagné. Hmm. Sénégal, la Waratal, avec Sénégalais. Mouba est justice. Ce fait que juste, la justice décide que Macky Sall avait fait telle chose je vais le poursuivre justice mais ñu pendant cette tension, que qui s'occupe de son travail en mais Elage, en fait c'est-à-dire que dans l'idéal les choses devraient marcher comme ça mais defal attention xam lan moo nit ki tu veux tu veux tu veux imprimer ton empreinte ni qui dit di d'accord yow tey El Hadj ñaanal naa la fait le président du Sénégal doo jël ne tekk ne eh, justice eh top len non parce que fait xam nga lan motax gars ils sont formatés d'une certaine façon gars yoy dañu tamone di jot ay coup téléphone di jot non on m'a raconté un truc de dingue y a y a y a un y a un président de cour d'appel d'accord ça c'est récemment une histoire Il y a un président de cour d'appel dans une région au Sénégal euh, la cour d'appel elle a des elle a des dates de siège elle a des dates d'audience c'est par exemple je ne sais pas tel jour et tel jour ñu war poursuivre une ben autorité bi nga il était mouillé mais Wadi, le président de la cour d'appel su siégeoon on sait que mon moom yoonam nekk si Dès lay et puis xam nga mu mais gars ils ont décalé l'audience pour que Wadi ji a sié bañ a donc tu vois El je bi ma expliquer moi. mooy yow tey soo jëlee nguur gi Sénégal bugg justice bi doxee neneen doo ñëw di lekk sa caaf lekk sa bisaab di raay sa bir. il faut quand même que tu prennes <laughs> il faut quand même que tu donnes des ordres quelque part, quoi, pour que quelque chose se passe. Même si ça mais, va. ça va, c'est pas là la problématique. Pourquoi Pour, pour nous dire à l'effort, ça va. aller. pour la problématique C'est-à-dire qu'on a toujours eu une justice qui est à la solde de notre exécutif. Est-ce que nous, mm. c'est quoi les réformes, taille, selon toi Étant donné que taille, les élections sont ouvertes, quoi que l'on puisse dire, mm-hmm. bon, je le mm de tout mon cœur parce que c'est c'est une injustice. Mais dans tous les cas, les élections, elles sont ouvertes aujourd'hui. À qui nous au Sénégal pour mhm. man bu ñu deful les réformes qu'il faut li xew ci mhm. Macky Sall dinañu dalaat suba ak kumu mu mënti doon bu nekkon sax man ak nguur niñ ko tëggee ci Afrique te yow xamna conception bobu am nañ ko man ak yow encore manam conception nguur ci sénégalais li lay wër ak nit ñi lay wër bo deful na da ngay dox c'est-à-dire que man avec tous les grands principes et les grandes convictions que j'ai soo moytuwul tour ma nit ñi ma wër mhm. sax mën nañu yàq sama xel donc c'est pas les réformes qu'il faut c'est pour ça que je dis d'accord non mais sa question sa question mais les na parce que sont fortes mais les institutions ce sont les hommes qui vont les qui vont les incarner c'est ça, absolument. Non, mais ça question. Mais c'est quoi sans pour que, toi les réformes qu'il faut fondamentalement Sans, sans, vivre sans ça, que j'ai écouté, écouté ton échange avec. Deux minutes, ça valait. deux minutes. Ouais, j'ai écouté sans que ton, ton échange avec Seydina, c'était très intéressant. mais, mais, nak, mais nak, pour tontu sa question, euh, defal la analyse bu beuri nga Seydina ay dans son dans son intervention il a dit des choses très intéressantes xam nga xam nga mu am solo xam nga ma jox la exemple tey ne son est le principe de séparation des pouvoirs tey ban adulte Sénégal wala ban résistant ban nit mooy taxaw mu man li xeex ko principe bi xeex ko bëriwul c'est-à-dire que principe nous, nous, ñun ñun fu ko tibé, peut-être nous on l'appelait mais fuñ ko tibé dëkk bu ñu ko jëlee je vous rappelle je donne un exemple tout bête en France avant la nuit du du 4 août 1789 trois ordres moo fi Un da ngay juddoo nekk noble si si si un ngay ngay noble qui est nek ouvrier bi que kële juddu nek euh, dans le clergé e bi gars yi kat nuy bobu ñu né eh privilège dañ koy principe d'égalité mon fidèle. daw te gars dañ ko des ay milliers de personnes ici. donc tay si tu dis le principe d'égalité en France dans la Constitution ça évoque tout de suite ça te rappelle tout de suite à cette nuit du 4 août ça évoque quoi aux Sénégalais c'est ce que Seydina disait, en fait, le fait de s'approprier les valeurs, et c'est là où je le rejoins totalement. Maintenant, là où je rejoins Brocard, c'est que problème B, problème les Moussa japonais, il y a une dialectique, dialectique entre nous qui parce que nous qui c'est une petite élite, hein, c'est quelques dizaines de personnes, d'accord, avec le peuple. Moi, nit so lan la soxal? Est-ce que lui la C'est valoriser les vertus de ton peuple et combattre ses vices Si dee loolu la intéressé di nga arrivé mais si dee yow intéressé Il y a sa vice peuple parce que les chefferies la notion de chefferie quel ministre du Sénégal quelle autorité du Sénégal parce que là tout le monde est là je vous rejoins tous c'est que Macky Sall tous les signaux qu'il avait donnés c'est que troisième candidature De candidature c'est koy def Seydina wax na ko candidat na fi ay bon donc lolu quel est le résultat des courses de ça ñepp ñu mu nommé won ànd si mom ak si volonté implicite moy que da ngay candidat D'accord Les signent gars signent signer ko pétition di ko renforcer di di di di bref di signer lu nekk légui bi président fait volte-face nee tout candidat ba tout le monde les moutons pareil maintenant on le félicite on dit voilà il a un bu baax nga en fait tu vois comment les gens se dédient tu vois comment, mais c'est incroyable ce niveau de moutonnerie. En fait, lolo nak moo sonal. intellectuel. merci voilà lolo. lolo, loolu merci beaucoup c'est très intéressant